Voilà. Restez là. BFM session 2021. Section moderne, Sainte-Majornia. Sont déclarés admis à l'issue des épreuves du premier groupe les élèves dont les noms suivent. Mam Maria Mandjaï, Mboro. Joséphine Sophie Tendeng, numéro 271. Numéro 15, Sababa Saint-Boro Numéro 111, Mohamed Gaye. Saint-Boro 2. Numéro 176, Badara Ndiaye. Saint-Boro 2. Numéro 73, Ibrahim Diop. Saint-Boro 2. Numéro 226, Astou Cham Samb. boro 2. Numéro 266, Mohamed Ben Maliksi. numéro 58 un mboro numéro 76 Maram Diop un 2 numéro 109 Khadim Gaye un 2 numéro 118 Marie-Yvonne Fatou un Mboro. numéro 71 Fatma Nar c'est un 2 numéro 228 Ndeye c'est Samb un 2 Numéro 136, Maïmouna c'est un 2. Numéro 120, Papa Adam c'est un 2. Numéro 17, Elodie Moumi Badji un 2. Numéro 27, Aimé Chantal Sissé CM Numéro 14, Ramataba un 2. Numéro 6, Cher Tidjan Ba Kër am uh, Semboro numéro 47 Sahad Jata Semboro numéro 93 Serigne Diouf Semboro 2 numéro 272 Mambouri Cham Semboro numéro 154 Lamine Bay Semboro 2 numéro 216 Khadi Sadi Niang Semboro 2 Numéro 255, Aïda Sow, CMBORO 2. Numéro 24, Fatoumata Kamara, CMBORO 2. Numéro 206, Mohamed El Mokhtar Ndong, CMBORO. Numéro 88, Etienne Fabien Diouf, CMBORO. Numéro 96, Sohna c'est un CMBORO. Numéro 177, Elage Malik Ndiaye, CMBORO. Numéro 240, Ndei Awassar, CMBORO 2. Numéro 92, Ousmane Diouf, c'est un Boro. Numéro 100, Djainaba Fall, c'est un Boro. Numéro 214, Aminata Nyan, c'est Boro 2. Numéro 5, Asanba, c'est un Boro. Numéro 72, Fatou Diop, c'est un Boro. Numéro 239, Mariam Sar, c'est un 2. Numéro 131, Marem Khan, c'est un 2. Numéro 173, Aminata Ndiaye, c'est un 2. Numéro 193, Moussa Ndiaye, c'est Numéro 220, Ndiaye Nias, c'est 2. Numéro 265, Bintassi, Candidat libre. Numéro 18, Eugène Michel Badji, c'est 2. Numéro 232, Abdou Sar, c'est 2. Numéro 13, Mohamedou Mokhtarba, c'est un hein, Numéro 61, Mam Yassine c'est un boro 2. Numéro 128, Ablaï Khan, un 2. Numéro 74, Ismail Diop, c'est un 2. Numéro 2, Abiba, c'est un 2. Numéro 112, Marietou c'est un boro Numéro 248, Falusei, c'est un 2. Numéro 236, Hadissar, candidate libre. Numéro 82, Moussa Diop, saint un 2. Numéro 54, ah, numéro 86, Serigne Malik Diop, Saint-Mboro. Numéro 210, Wouli Matangom, Saint-Mboro Numéro 8, Fatima Taba, candidate libre. Numéro 60, Ousmane Dien, Saint-Mboro. Numéro 253, Adam Sow, saint un 2. Numéro 95, Cheikh Ibrahim Djoum, Saint-Mboro. Numéro 180, Fatou Tcharandjaï, c'est un 2. Numéro 29, Mohamed Sissé, c'est Mboro 2. Numéro 77, Mariam Diop, c'est un 2. Numéro 87, Sorna Aïcha Diop, c'est un 2. Numéro 142, Rokhayalo, c'est un 2. Numéro 51, Adama Djedjou, c'est un Mboro. Numéro 133, Maram Karé, Saint-Borodé. Numéro 151, Aminata c'est candidate libre. Numéro 217, Harjatanya, c'est Saint-Borodé. Numéro 230, Assietou Samoura, un boro Numéro 49, Oumoutal c'est un Numéro 235, Jean-Marie Vianney Sar, un Numéro 276, Wolichoun, Saint-Boro. Numéro 153, Aaron Mbaye Saint 2. numéro 250 205 205 Marindong Saint numéro 231 mort de fin de liste liste arrêtée à 76 candidats liste des candidats proposés aux épreuves du second tour. Liste des candidats proposés aux épreuves du second tour. Numéro 43, Mamadou Lamine Diallo, c'est Mboro 2. Numéro 64, Adja Kine Diop, c'est Mboro 2. Numéro 65, Anta Diop, c'est Mboro 2. Numéro 108, Mustapha Diop Gassama, c'est Mboro 2 numéro 94 Serigne Khadim Diouf un Mboro 2 numéro 229 Sedina Mohamed Samb un Mboro 2 numéro 137 Sohna Aram Kete un Mboro 2 numéro 38 Abdoulaye Diallo un Mboro 2 numéro 69 Djibi Diop un Mboro 2 numéro 162 Mam Djarambouk, c'est un Mboro 2 numéro 257 Ahmed Sherif Sow CM 2 numéro 28 Babacar Stissé, c'est Mboro 2 105 Daniel Yacente Fay, c'est Mboro 270 Sohna May c'est Mboro 2 19 Serigne Serif Talibouya Balde, c'est Mboro numéro 20 Maria Diédiou Bojan, candidat libre 81 Moussa Diop c'est Mboro 98 Kine Dramé c'est Mboro 241 Rougiatou Sar, c'est Mboro 2 244 Biran Sek, Kanda libre. 168 Papa Malik Ndaw, Mboro. 161 Aida Lidi Moup, Mboro. 175 c'est Mboro 2. Le numéro 258 Birama Sow, Mboro 2. 262 Idi Sow, Kanda libre. 277 Adji Moursin Top, Mboro. Numéro 12 Mohamed Ba, Mboro. 79 Mbaye Diop c'est Mboro 2 163 c'est Sissemboub, c'est Mboro numéro 30 Moïse Estafan Dembélé c'est Mboro numéro 75 Maguette Diop c'est Mboro 2 numéro 138 Mam Djara Kholé c'est Mboro numéro 191 Mayang Ndiaye c'est Mboro 2 254 Aïcha Sow c'est Mboro 273 Mohamed Cham c'est Mboro numéro 10 Malik Ba 2 110 Mansour Gaye c'est 2 275 Mohamed Thiaw c'est Serigne Mansour 459 El 122 Isaka Ka c'est 2 126 Pendak K, Ka 190 Maria Kandalib 192 Mohamed Massamba Ndiaye 52 Babakar Diédhiou c'est 130 Maram Kan boro 2 198 c'est un boro 2 237 Malik Sar un Mboro 2 numéro 26 Léon Bernadette David 6 boro. 91 c'est un Mboro. 209 c'est un boro. 63 Abibou Diop Mboro 2 114 Adama Gueye Kanda Libre numéro 16 Siraba Mboro. Numéro 264, Malik Sow, Mboro 2. 268, Ousmane Si, Mboro 2. Numéro 53, Rosette Djedjou, Mboro. Numéro 54, Ahmad c'est Mboro 2. 189, Mamor Ndiaye, Mboro 2. 269, Fatih Silla, Mboro. 83, Mustafa Tala Diop, Mboro 2. 35, Bayoro Diagne, Mboro. 195, Ndeye Ndiaye, Mboro 2. 201 c'est Ndim un 2 numéro 4 Ansouma c'est un Mboro. numéro 44 Mariama un Mboro. 172 Ali Matou c'est un 2 207 Doi, c'est un Mboro. 250 Fatoumata Soli c'est Mboro. 57 Cheikh Dien un 2 107 Fatoumata Gassama c'est un 2 117 Manta c'est un 2 119 Nogoy Gay c'est Mboro 2 219 Samba c'est Mboro 2 247 Marem Soda sec, c'est Mboro 2 numéro 97 Kani Dramé CP la, Lumière Serigne Mansour 233 ah. Abdoulaye sar c'est Mboro 2 267 Ndeye c'est c'est Mboro 2 67 Koumba sek Diop Kanda Libre 123 Issaka c'est Mboro 2 135 Amadou Tijan Kébé, c'est de 2. 157 Ngone Mbaye, c'est 2. 204 Aidan Dong, c'est 2. 246 Mamadou Mbaye Falsek, c'est 2. Numéro 263 Isma Sow, c'est 2. Numéro 36 Bekai Diagne, c'est numéro 2. Numéro 46 Mohamed Jatara, c'est numéro. Numéro 68 Jara Diop, c'est 2. 127 Souleymane Ka Mboro 2 187 Mamadou Ndiaye Seigne Mansour 125 Moussa Ka Mboro 2 164 174 Awa Ndiaye Mboro 2 223 Abdou Koulibaly Samake, candidat libre 101 Maguette Fall Mboro 2 159 Massaer Mbeng c'est Mboro 2 181 Fatoumata Ndiaye Mboro 2 196 Ndeye Daro Ndiaye Mboro 2 106 Ndeye Amifay, symbole 2 34 Rokhaya Dia 2 56 Anta symbole 2 213 Ami Mustafa, Amdi Nya, c'est Semboro 2 121 Ibrahima Ka Kanda Libre 134 Mbaye Kare 2 149 Marie-Thérèse Mankabou symbole 2 224 Aram Nya Samb Kanda Libre 249 Awa Sidibé candidat libre numéro 21 Nilan Bop... Seigne Mansour 37 Soda Djang, c'est mboro 2 103 Ndeye Aminata Fall c'est mboro 2 146 Nazer Reno Malou c'est mboro 156 Mor Mbaye c'est 2 89 Jean-Émile Kordiouf c'est candidat libre numéro 3 Aliouba, Ouba... Seigne 103 Mam Fama Fall c'est mboro c'est le 102, Mamfal, c'est Mboro. Numéro 132, Amidit Alahina Kanouté, c'est Mboro. 238, Maram Sar, c'est Mboro 2. 281, Ousmane Yad, c'est Mboro 2. 78, Mariama Diop, c'est Mboro 2. 140, Ami Kolelo, c'est Mboro 2. 141, Gora Lo, c'est Mboro 2. 152, Arambay, c'est Mboro 2. 160, Ndei Khoudjambeng, c'est Mboro 2. 182 Khadin Ndiaye Mboro 2 184 Magat Christine Ndiaye Kandalib libre 194 Daha Ndiaye Mboro. et 203 Ndiaye Andir Mboro 2 fin de